La concession à Karma a plus de 400 ans et elle a transité par Namaro par une culture de petites clôtures de piment à l'ère coloniale. Après donc l'indépendance, les gens ont commencé à améliorer cette culture-là en mettant des laitues, des choux, de la tomate et surtout de l'aubergine. Après, il y a eu l'introduction de l'oignon et des couches. Ces différentes cultures-là sont échelonnées toute l'année et c'est l'apanage des femmes. Rares sont les hommes qui s'adonnent à cette culture. Mais avant, c'était les hommes qui occupaient ces places-là par la culture du coton. Et certains projets de les années 81, comme le FIDA, a eu à faire deux phases de projets ici qui ont duré 55 ans. Et ils ont amené en tout cas des apports non estimables dans la manière de faire de ces femmes-là. Le piment étant la culture mère, certaines femmes même nous reprochent de ne pas les sensibiliser dans nos 40 sites qu'on dispose, le piment occupe dans chaque site, surtout au bord du fleuve, les 80% de superficie. Après le piment, la deuxième culture, c'est l'oignon, suivi par des courges et l'aubergine. le site de Kaba, ils ont donné plus d'importance à la culture du manioc et de la patate douce. Parce que la patate de Karma est spéciale. Il n'y a pas de cru, mais ils mettent les patates à mi-campagne, donc en fin septembre, pour que les dernières pluies l'arrosent. Et après, ils n'ont rien à faire que l'entretien. Et c'est une des meilleure patate livrée à Niamey. Ça produit bien. Mais avec euh, changement climatique, les courries ont envahi les deux tiers du site pour laisser donc place à la culture des légumes seulement. Il n'y a pas plus de cinq ans, les entrants étaient gratuitement distribués en quantité, en, qualité, par l'État d'abord et les ONG. Mais depuis une décennie, les ONG sont retirées. L'État assure tant bien que mal de subvenir aux deux tiers des besoins des paysans. Donc on l'aide à régler son problème de site. Il y a quelques projets qui interviennent, mais de manière très timide dans le cadre de l'amélioration des infrastructures, donc le grillage et des fonçailles de quelques pizards, notamment à Taxaba. Les leçons tirées, c'est qu'il y a un désintéressement des concessions par la jeunesse. Le deuxième problème qui se pose, c'est que malgré la création de nos 40 coopératives, l'État doit nous accompagner. La sécurité alimentaire garantit la sécurité en tant que telle. Hein.